femme surprise il y a des femmes qui ont mérité li nga xam Donc, dinañ koy donc euh, vraiment je nañu wàcc nga def ce choix. d'accord on y va. oui ma man mami je bu mu neex ba nga compréhension communication et patience. d'accord c'est très important. am <laughs> compréhension. communication patience. <laughs> alors. mais bébé kontaan naa de kontaan naa trop. en plus seen matériel yi qualité bu top. léegi gaawee ma surprise bi boobu. balaa may wax surprise bi xam naa ne fi ñu toll nii station bi yegg naa la ndox. am li ma bëggee café ba ma dalee naan kafe ba tey musuma naan kafe gu mel nii. loolu kese moo ñu fi indi woon. <laughs> café gi kese. man naan café moo taxoon ma indi def. léegi li ma jot a choisir damay ñibbi. Communication, compréhension, patience. Surtout, Marie. Ok, à vous de patience. <laughs>